mis en examen en France pour viol, Akraf Hakimi connaît bien des tourments puisque sa compagne et mère de ses enfants a décidé de se séparer du footballeur international marocain du PSG. Mais ce dernier aurait un coup d'avance à en croire plusieurs médias. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes vidéos et être informé, eux, en avant-première de mes prochaines publications. Akraf Hakimi sera bientôt officiellement séparé. En instance de divorce avec Ribe Abouk, le latéral droit du Paris Saint-Germain attend la fin d'une procédure lancée bien avant les graves accusations révélées en début d'année. Rappelons que l'international marocain est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 24 ans à son domicile en février dernier. Une affaire dont l'instruction est en cours, l'avocat du joueur affirmant que ce dernier était plutôt la victime d'une tentative de chantage mais tandis que la justice suit son cours en France, Akraf Hakimi doit régler un dossier privé, à savoir un divorce forcément médiatique et spectaculaire. Et rien ne se passe comme prévu. Hakimi ne possède rien. Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donné corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie j'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc, avait réagi sa femme dans un communiqué sur Instagram, avant de soutenir la plaignante. Il va sans dire que dans ma vie, j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l'accusation, nous ne pouvons que faire confiance au bon travail de la justice. En parlant de la justice, Ribe Abouk a découvert une mauvaise surprise pendant la procédure de leur divorce à en croire plusieurs médias, dont Marca. L'Espagnol, mère de leurs deux enfants, pensait obtenir plus de la moitié de la fortune et des biens d'Akraf Hakimi. Un sacré pactole en perspective puisque le Parisien touche près d'un million d'euros par mois depuis qu'il a signé au PSG. Mais selon ces informations, le mannequin de 36 ans et ses avocats ont appris que Akraf Hakimi ne possédait rien et que ses comptes en banque n'étaient pas si fournis. En effet, l'ancien joueur du Real Madrid avait pris soin de mettre ses biens et sa fortune au nom de sa mère depuis longtemps, comme s'il avait bien préparé son coup. Ribe Abouk n'a donc plus qu'à s'assurer que les besoins de leurs enfants seront couverts. Et cela semble faire le bonheur de certains.